noon nino wakka ngona nino kër tafa eh. nino kër ah. saabe ko e diri on haydara o wi onon nganndi laawol ngol mo jaani o wi inchallah ma waɗa noon laawol jimmiɗo ɗo en haa wakka ngona deux kilométre nden noon coordinateur a jaaraama allah jaaraama e population ɓe eh, fof min jettiima vraiment on a pas Au chose de vous remercier. monsieur le gouverneur il y a ñu yow délégué du président de la république dans votre circonscription administrative la région du Kaolack vous êtes le représentant de tout le gouvernement dans cette circonscription kon nous savons que ne avons Deux la de dina ak président santal ñu président ñun ci ayam gis nañ ci suñu bopp ndaxte li tax ñuy wax développement mooy ay infrastructure de base lu jëm ci wàllu ndox commune Wack Ngouna ñu ngi toll si juróom di juróom benn fukki dëkk ak juróom amul benn dëkk bu ci amul ndox nous sommes déjà dans le temps de l'accès universel à l'eau monsieur le gouverneur quand le président accédait au pouvoir en 2012 il n'y avait que 4 villages électrifiés sur les 65. Wakumuna, Yago, Kurioro, Panesader. Aujourd'hui, on en est à 42 sur 65. C'est une prouesse. Il faut le reconnaître et le dire. Waku TV, toujours au service des personnes.